Je rappelle euh, d'abord le contexte euh, de cet atelier-là qui euh, entre dans le cadre de l'initiative du commerce guidé. Donc, il s'agit pour cette activité-là de renforcer l'engagement des parties prenantes, notamment du secteur privé, dans la mise en œuvre de la ZRECA. Vous savez que c'est un accord très important pour l'Afrique, mais aussi pour le Sénégal, qui, dont le premier marché est le marché africain. Donc, depuis le lancement de l'accord en sa signature d'abord, son entrée en vigueur en mai 2019 et le, démarrage euh, euh, des échanges euh, le 1er janvier 2021 jusqu'à présent. les échanges tardent à être effectifs donc, entre les pays africains. C'est dans ce cadre que le secrétariat, sur instruction en tout cas des chefs d'État et du gouvernement de l'Union africaine, a mis en place l'initiative du commerce guidé pour euh, accompagner les États euh, à opérationnaliser cet accord euh, qui est très important, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, pour notre, pour notre marché. Donc nous attendons surtout du secteur privé une meilleure compréhension de l'accord, mais surtout aussi des opportunités qu'il pourrait tirer en tout cas de, cette, de cet instrument-là dans le cadre de, ces ses activités. Démarrer d'abord, je dirais, parce qu'il y a le rôle en tout cas du secteur privé, c'est de faire du commerce, de faire du business, mais aussi il y a le rôle de l'administration, bien sûr. Hein. Nous sommes euh, en train donc de nous préparer en tant qu'administration responsable euh, de la mise en œuvre de cet accord-là. Donc toutes les euh, dispositions sont en train d'être prises pour faciliter donc la mise en œuvre de l'accord. Maintenant, du côté du secteur privé, comme je l'ai également indiqué, c'est surtout euh, de comprendre en tout cas qu'ils ont tout à gagner dans cet accord-là, puisqu'il y a beaucoup de marge, en tout cas pour ce qui concerne le continent africain. Euh, les opportunités sont là, donc les instruments qui ont été négociés, notamment les règles d'origine, favorisent donc le commerce intra-africain, euh, donc qui offre l'Afrique qui offre un marché donc de 1,3 million de consommateurs, donc, et un vaste marché donc, pour ce secteur privé-là qui pourrait euh, éventuellement donc, euh, euh, orienter ses exportations vers ce marché-là qui est plus facile pour eux, mais surtout porteur pour l'avenir donc, de leur activité du continent. Il faut que l'initiative initiative si ci lu ñuy accord pour nous mën que nous baral ci ni ñuy doxale ZLECAf ZLECAf marché la marché africain buy euh, bolé réew Afrique yépp danaka donc muy marché bu gën a ci aduna buñ ko sété euh, ci walum réew yu bokk bu ñu bu buñu bu ñu bu ñu considéré réew yuy participer ci ZLECAf euh, initiative bi nak dafa ñëw parce que dañu sétlu ni que depuis ñu signé accord bi euh commencé guñu ba légui euh, di jënd ak jaay ci biir Afrique parce que loolu mooy rôle accord donc loolu moo tax ñu ne secrétariat ZLECAf ne euh, ci instruction bu mu jot ci chef de l'État yi mu élaborer initiative bi pour gunge secteur privé bi donc ci gunge boobu nag dina tax secteur privé gën a xam lan moy euh, ZLECAf lan moy accord bi accord bi lan la leen di offrir euh ci walum jënd ak jaay donc pour mu gën a gën yombalal ñu gina xam marché Afrique ñu gina mëna mën pénétrer marché boobu donc yokk seen exportation développer seen entreprise intégration mo manqué ñuy sét rek ci Afrique bo xolé yeneen continent yi intégration mo gina mo gina renforcer bo démé Europe nga dem Asie nga dem Amérique euh, ay continent yu intégré la ba nga xamanteni ñom lu ci ëpp ci wàllu njëndam jaay jënd ak jaay ci sen digënté lañ koy défé té lolu euh, lu am solo la ci walu développement donc euh, Afrique nag dafa amone ay contraintes yu bëré déjà c'est vrai que nous avons une ay communauté économique régionale comme CDAO qui démé ci euh, zone Afrique euh, Afrique de l'Est wala Afrique australe wala Afrique du Nord nous ay organisation aussi comme CDAO. la un euh, commerce faible parce que aussi des yenen contraintes euh, moi par exemple lu ñu naan barrière non tarifaire donc le loo maintenir peut-être ay jafe-jafe yu ñuy jànkonteel ci wàllum jënd ak jaay loo xamante maintenir peut-être ay procédures administratives là wala ay normes y wala une euh, yeneen yeneen règles yoo xamante ne peut-être euh, ñii di def commerce war nañ koo respecter donc yooyu mun na nekk aussi ay contraintes mon nañoo aussi cité affaire infrastructure comme ay tali comme ay port etc nga xamni ni yooyu am nañ solo trop ci commerce donc yooyu yëpp dafa manqué euh, ci Afrique mais bo seetee accord bi ñu signé ni muy ZLECAf amna solo parce que accord global la donc day intégré euh, day tenir compte en tout cas contraintes ñu rencontrer yëpp donc mu jema accompagner état pour ñu jël ko en charge ñu yombal nag donc euh, commerce bi suñu digënté ZLECAf bi bi ñu ko signé ba ba euh, en 2018 ak euh, bi est euh, entré euh, en vigueur en 2019 pays a commencé à mettre mise en œuvre donc on a commencé depuis janvier 2021 mais ba a a commencé à initiative commerce guidé pour encourager euh, les États à commencer à commercer ces euh, euh, donc initiative la remplacer mise en œuvre autonome par les par les États mais daf encourager euh, ci biir loolu euh, ñu ñëwoon euh, fii avec ministère industrie ak commerce avec le secteur privé pour sensibiliser les wan leen bénéficier yi ñu a tirer ci marché africain bi bi ñu mettre en place avec la la la aussi outils yi tout euh, yi ñu euh, ñu mettre en place pour euh, ñu euh, euh, bénéficier de ci accord et je pense que le secteur privé est mobilisé na li ñu gis dal na suñu suñu xel et yaakaar nañ ni octobre, ak octobre Sénégal a commencé à commencer exporter ci régime préférentiel Zélekafbi. bi euh, et que bénéficier euh, d'une gis euh, entreprise qui travailleurs mais ci sénégalais bo gens. jël opportunité yi bëri na le marché bi bi continent représenté expansion commerciale économie euh, d'échelle, euh, mais également possibilité d'industrialisation intégrée dans les chaînes de valeur régionales et continentales nous beaucoup beaucoup de de faire permettre euh, nous produire produire ci continent bi l'Union euh, importation yi euh, ba pare créer ay euh, créer emploi ci ci ci continent et ZLECAf effectivement loolu lay loolu moy objectif am bu industrie yi doxee ñuy produire du jaay ak jënd suñu biir day euh, chômage bi day aussi permettre une inclusivité au niveau de nos sociétés. Merci. Je de tudd Salom directrice générale Biosen Nous ñu ngi liggéey céréales locales euh, si Sénégal ak bitim réew tey ñu ngi fi nag commerce intégré bir ZECAF ZECAF est une zone euh, bu nga pays Afrique yëpp commercer mu am ay avantages yu euh, tay état Sénégal euh, invité nañu fi à travers ministère du commerce bi mais tam secrétariat général ZDECAf pour expliquer ñu li nga xamné moy commerce intra africain bi pour wàññi avantage yi tamit euh, yi ñu xam ni nga xamné comme euh, secteur privé bi mën nako mën nako jël ci ci ci biir Afrique bi yëpp euh, loolu di ñu permettre ñu am ay avantages économiques euh, si Sénégal ñu wax ko jël nak euh, si nous mu pour boire a euh, pour pays en tout cas yi nga à l'avant